fada barkan ku da zuwa bisa kan shirin ku na matasa na kowane ƙarshen mako. Mai gabatar da shirin aminiyar ku ta kullum Rabia Mai Kano. C'est vraiment une tradition depuis des décennies pendant les grandes vacances scolaires. Wasu ɗaliban suke rage hutun nasu don su kama hanyar makaranta. En effet, plusieurs écoles et associations d'étudiants organisent des cours au profit des élèves. Kuma wannan domin shirya wannan ɗaliban nan su tunkari aji na gaba da kyau. Cette initiative vise à rehausser le niveau éducatif des élèves et à les préparer ensuite pour la rentrée scolaire de l'année prochaine. club avec encadreurs, élèves de cet établissement et d'ailleurs on discute pour en savoir plus sur les cours de vacances kuma da wannan tsarin yake a cikin ci karatun nasu a cette fada nous sommes avec Khadija Karimou, elle est en terminale A. tout ça va Tu prends le micro. Ça va Tu vas bien Alhamdulillah. Ça se passe bien l'écho Oui, alhamdulillah. Super. Mohamed Ousmane, il est en terminale A. Yani, il y a Shida Shida en terminale C'est bon Non, super. Allah ça. Nous sommes avec Malika Moumouni Kalilou, elle est en terminale D. Malika, ça va Ça va très bien. Qui est là Qui est ce bah, Qui est là Qui est là Qui est muna tare da suleiman jabiri liu ilian terminal a ah, suleiman sava ya kake da dama eh, da dama alhamdulillah to a wannan fadar kuma muna tare da Karim maiga Liu il est terminal D Abdul Karim Sava. Sava va bien Allah ya ne Dama. ya shirye shiryen bak ah. ana ciki ku muna ta yi muna tare da mushan nasu ko in ce wanda vraiment yake cordonan duka wannan activity da suke bisa kan wannan karatun da ake na shiga hutu Bouraima Zakari dit euh, BZ, il est administrateur au club. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci pour la mobilisation. Merci, beaucoup, Inch'Allah. À cette fois, nous sommes avec Samuel Alexandre. Toi, tu es en quelle classe Seconde C. Seconde C Ah, ok, excellent. Ouh, matheux. <laughs> Ben, soyez tous les bienvenus sur l'émission Tous à la Fada, Comme vous le savez, cette émission, c'est aussi de la musique. C'est la rubrique de l'émission Tous à la Fada et la chronique. Top, c'est parti. Les cours de vacances, quelle valeur ajouter pour les élèves Je vais direct à ma première question. Monsieur Boreima, ku gaya muna bambancin wannan karatun na lokacin hutu da wanda ake yi a koyaushe a cikin makarantu. Vraiment la différence. Qu'est-ce qui oh. particularise les cours de vacances par rapport aux autres? Karatun da ake cikin hutu hmm. shi da wanda ake ko lokacin da akwai boko duk ɗaya ne hmm. duk ɗaya ne don mi tun da dai abin da ake koya musu lokacin da akwai boko da abin da ake koya musu yanzu cikin hutu duk sani guda ne eh amma dai ƙara musu ake tun da wanga shirin su ne ake dambaɗi hmm. eh, kawai inda mutum zai taya gaba dambaɗi sai ya koya tun yanzu ya san ko kakana baɗi za ta zama. Eh. Oh, amma dai in dai wajen kawo samun sani ne duk dai ɗaina. duka ɗaya ne eh, ke da exercise da oh, kur da duka duk ciyar ko kodai akwai wanda ba a yi duka eh duka ana yi mm. ana yi duka ana duk abin da ya kamata ana yi ko da zaman to dai lokaci ya karamin lokaci na eh, hmm. macaccen lokaci na wata guda a wata guda eh, wata guda amma suna samun abin da sun ka samu eh, in ji yan hmm. magana suka ce babu karamin sani tun da karamin sani ma kukumi ne Est-ce que ces cours sont oui. destinés à tous les élèves les ou sont... c'est plutôt pour des élèves en difficulté ou tout le monde y a Très bien, et uh -huh. les cours sont destinés à tous les élèves parce que tout simplement, ça vise d'abord à insister sur ce qu'ils ont, ils ont appris en cours d'année scolaire passée. Et maintenant, ça les amène à connaître le programme de la classe suivante, c'est-à-dire la classe qu'ils auront affrontée en 2023-2024. Hmm. Donc, c'est une sorte de préparation, une préparation sous forme de rappel et de révision et une préparation sous forme d'objectif de progression to yanzu wa'annan wanda duka kuke tare da mu wannan ɗaliban ina so in sani kowanne akwai wani guri da yake so ya cimma da ya shiga cikin wannan kudu kan sikin zan fara gare ki malika ko malika En fait, qu'est-ce que tu vises euh, en t'inscrivant à ce Voilà, c'est quoi le problème que tu voulais régler ou euh, voilà. Premièrement, je voulais accroître mon niveau et je voulais aussi anticiper ce qu'on allait voir dans l'année scolaire. Parce que c'est toujours mieux pour un élève de s'exercer avant de voir la leçon. Les cours de vacances, on nous explique les matières avec plus d'éclaircissement et ça nous permet de bien comprendre. Comme ça, une fois l'année scolaire entamée, ce sera plus facile pour nous car on a plus d'avance que les autres. Vous avez déjà de l'avance. connaissances kenan deja tana nan ga gani ke ta samu dan ci gaba eh, daga shekara ta kama ita dai ta san daman zance me za a yi ta san karatun bisa kan me za a eh, za a ɗauko shi to yanzu zo wajen suleiman jabiri kai kuma dan terminal a ne ok toi à la base tu t'es inscrit cette année pourquoi euh, je me suis inscrit parce que j'avais depuis la première j'avais de, des lacunes en en maths et en philo, et un peu aussi en anglais. Hmm. donc j'ai vu que m'inscrire pouvait m'aider à, augmenter mes, capacités de... Dans ces matières-là. dans ces matières-là, exactement. Ok. Et donc c'est pour ça que je me, je me suis inscrit et je vois que maintenant il y a un peu de mieux dans ces matières. Tu commences un à peu voir plus clair. Voilà, je, vois maintenant plus clair et puis il y a l'amélioration aussi qui, qui est là et on fait avec. Est-ce que dans ces cours, toi, tu es allé directement sur ces matières ou euh, voilà, il y a plein d'autres matières sur lesquelles euh, vous mm. travaillez aussi Oui, il y a plein d'autres matières sur lesquelles on travaille. Par exemple, parce que à part les, matières que j'ai citées, il y a aussi le français et c'est vrai Tu le monde bien <laughs> OK tu tahi dahi il y a il y le français et il y a aussi euh, comment ça s'appelle les, maths voilà et les maths aussi OK les maths oui sont aussi là ok to yanzu ina so in sani kaman taimakon da ga voilà eh, quelle matière eh, ou dans quel domaine vous, arrivez maintenant à, voir que ça va mieux eh, que vous comprenez mieux maintenant Qu'est-ce qui était difficile pour vous avant et qui est nettement plus facile maintenant Je viens vers toi. ok. Et euh, voilà, quelle matière tu avais vraiment des difficultés. Et maintenant, y jour avec vraiment euh, cours de vacances, la philosophie. Philosophie Oui, oui. Quand hmm. j'étais en primaire, je ne comprenais pas. Oui, oh, c'est vrai, c'est vrai, ok. Hmm. Quand j'étais en primaire, je ne comprenais pas. J'arrivais pas à voir la moyenne et toutes les, toutes les interrogations et devoirs. Okay. Mais maintenant, j'arrive bien, je comprends bien. Ok. Là, tu comprends mieux. Oui, oui. Ok je m'en sors très bien. D'accord, je viens vers toi. Euh, c'est quoi vraiment la différence Parce que là, elle me dit, Malika, qu'elle comprend mieux. C'est quoi la différence C'est la différence dans la pédagogie, dans la façon d'expliquer, dans le, la quantité d'exercices qu'on vous fait. C'est quoi la différence qui, qui fait que maintenant, vous voyez clair dans certaines matières Bon, au fait, euh, c'est... Hein? Euh, c'est pas qu'il y a une différence. Mais il y a des professeurs, leur manière d'expliquer est différente des autres. Hmm. Il y a des professeurs, ils expliquent mieux et d'autres professeurs, ils n'essaient pas d'expliquer approfondissement aux élèves. Donc, euh, du coup, ici. Comme on nan un cikin de vacances kin kun ba mu da yawa professor kin yana où il y yana muna exercice Ok. Ok. da oui. Oh, je sais ça. y C'est ça. abubuwa da les cours de vacances sont payants oui c'est payant mais est-ce qu'ils sont accessibles à toutes les bourses bon ils sont accessibles à toutes les bourses dès lors que d'abord de la sixième à la terminale c'est le même montant mhm. c'est 10 000 francs. Et nous, nous estimons quand même qu'avec 10 000 francs, vraiment, on n'est pas quand même allé très loin. La barrière n'est pas très élevée pour mhm. entrer. Oui, et c'est accessible à tout le monde. En tout cas, beaucoup d'élèves sont, inscrits et il y en a qui désirent même s'inscrire. Même ce matin, il y en a qui viennent s'inscrire. Ça prouve que vraiment, c'est pas ça cher. Intéresse, mm, C'est euh, raisonnable. vraiment les élèves tout. on va aller avec la rubrique rose de l'émission tous à la fada et on se reprend juste après tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Amis jeunes euh, amateurs de la rubrique euh, rose, bonsoir et bienvenue dans cette rubrique. Alors les filles, aujourd'hui de l'espace cuisine, nous allons parler d'un plat que vous connaissez déjà, un plat ancré dans les habitudes alimentaires ici au Niger. Il s'agit bien du zazahé, c'est en Hausa. En Zarma, c'est Dungandi. C'est tout simplement le repas de la veille et réchauffé le lendemain matin qui sert de petit déjeuner. C'est un repas de pâte de mil ou de maïs accompagné de sauce gombo ou sauce feuilles comme on sait bien le préparer chez nous. Pour mieux déguster ce plat, vous pouvez donc le revisiter, lui ajouter quelques ingrédients pour élever le goût. Pour cela, mettez la sauce au feu, ajoutez votre pâte de mil ou de maïs dans la marmite, puis incorporez un mélange de piment frais, de boules de sumbala, de l'ail bien écrasé. Ce mélange va parfumer votre sauce et même améliorer son goût. Mettez-y un peu d'huile ou de beurre de lait de vache. Dans certaines régions ici au Niger, on aime bien ajouter des petits morceaux de croûte de pâte de maïs dans la sauce au feu avant d'ajouter la pâte. Voilà, votre préparation est terminée. Bonne dégustation. Merci Ruki. Passons à présent à l'entretien de notre intérieur. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Rubrique Rose. Après avoir bien mangé notre zazahé, pensons à parfumer nos maisons. En effet, dans plusieurs cultures au Niger, la saison des pluies s'accompagne du boom du marché de l'encens. Faites un tour dans les quartiers, surtout les soirs, c'est magique le festival de parfums qui se dégage des maisons. L'encens, en effet, est une résine naturelle extraite de l'écorce d'arbres que l'on retrouve dans les zones arides de la péninsule arabique. Selon les anciennes traditions, on y ajoute d'autres résines ou huiles essentielles afin de dégager des senteurs caractéristiques. Sur les marchés, vous trouverez diverses variétés de résines, de bois broyés ou concassés, de tout type de racines dont les prix changent selon la provenance et la qualité. Tout près de là, on extrait les essences pour confectionner de savantes préparations. L'huile essentielle qui provient de la résine d'encens permet de créer des mélanges de senteurs insurcelants. On y ajoute du bois de houde de bois de oud, de santal et d'autres plantes pour parfumer la peau et la maison. Vos sens sont en émoi. Cette senteur vous accompagnera partout. Elle s'imprègne dans vos vêtements, sur vos cheveux ou pour encore mieux vous envelopper de sa douce chaleur. Il existe autant de formes et de parfums à brûler que de pays et de cultures. En effet, la préparation de l'encens peut varier d'un pays à un autre et avoir différentes fonctions et vertus selon les croyances. Pour beaucoup d'entre nous, brûler l'encens fait partie d'un rituel de bien-être. L'odeur de l'encens est apaisante et ne ressemble à rien d'autre. Dans la rubrique de demain, nous verrons comment parfumer nos maisons avec de l'encens pour profiter au maximum de ses bonnes senteurs. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à demain pour encore plus de bons plans et de bons parfums. Says. al she wanted cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Bajo acelerado, dale despacio. Ah, mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también. Tiene nombre persona buena. mente, no es como suena. Tiene nombre de persona buena. aujourd'hui installé au Suez Club. E, kuma yau hira da muke nan ga hira bisa kan wannan karatun da ake na lokacin hutu wanda ake cima a turance cour de vacances. cour de vacances kin wannan su wane ne wanda suke zuwa eh, yin wannan kurkin wani amfani ne yake musu um, wani bambanci ne ke tsakanin wannan cour de vacances kin da wanda ake yi a lokacin da aka fara aka soma karatu ne kamar in a ne ta fara shi yasa muka gayyato a wannan fadar tamu Khadijatu Karimu karimu terminal a taki, Mohamed usman shi terminal a yake malika Momuni kalilu ita kuma terminal d take suleiman jabiri il est en terminal a abdul karim maiga en td L'encadreur, M. Bouraima Zakari, euh, il est l'administrateur ici. Il est vraiment aux côtés de ses élèves. Nous avons Samuel Alexandre. Samuel, je viens à toi. On va poursuivre avec nos questions na lokacin hutu yake taimaka muku cikin Samuel comment on tes cours sont en train euh, de t'aider voilà comment tu sens euh, tu te sens maintenant prêt à affronter l'année qui vient et euh, voilà comment ça se passe pour toi à ton niveau malgré l'infériorité du temps par rapport au temps de l'école pendant les cours mm-hmm. ça nous permet aussi de comprendre certaines choses parce que pendant les cours certains professeurs ils sont en hâte quoi ils sont rapides ils n'ont pas seulement une seule classe à enseigner, ils ont beaucoup de classes. Donc pour ne pas traverser le temps, et aussi le temps est limité certaines fois. Donc ils essaient d'être rapides. Et en étant rapides, certains élèves n'arrivent pas à comprendre. Ouais. Et par exemple, l'année passée, dans mon école précédente, quand le professeur finit le cours au tableau, des fois, il n'explique pas. Soit c'est nous qui se mobilisons en disant Monsieur, on n'a pas compris telle erreur, telle chose. Et certaines fois, il oublie et passe certaines leçons sans qu'on les fasse il peut sauter un chapitre sans qu'on l'a fait et aller à un autre chapitre, ce qui nous a beaucoup pénalisé l'année passée. Hmm. Et certaines fois, il amène ça au devoir et on disait on ne comprenait pas. Sans ce il se rappelait de certains erreurs. Donc, les cours de vacances, ça nous permet de se rattraper de certaines choses. Parce que seconde, il y a des choses qu'on voit, mais qu'on n'a pas vu en troisième. Donc, ça nous permet aussi de capter des choses. Et les professeurs aussi ont du temps pour nous enseigner parce que c'est pas trop long. Et malgré les deux heures de temps qu'on fait par matière, mm -hmm. on arrive à comprendre quand même. Ok, to shi dai wannan Samuel ya kwatanta que a lokacin da suke cikin makarantu kamar lokacin da ake karatun na eh, shekara wasu mushikan ba su da dama su tsaya su kwatanta musu da kyau wasu kuma suna gaugawa har suna ketare wasu wani karatun da ya kamata a yi ba su gane shi ba ya ce amma yanzu mushushukan nasu tunda kowanne na da kama awa biyu da za yin awa biyu da za ya ba da sanin nashi a hankali kwance ɗaya bayan ɗaya suna nan suna ganewa abin da ake nihi abin da ma ba su gane ba shekara da ta wuce duk ana nan kwatanta musu sannu sannu ya shi da gaskiya wannan tsarin dai yana na yana yana ganin unhanin wannan tsarin cikin harkan karatun nashi yana nan ganewa yanzu je reviens vers vous monsieur l'encadreur quel résultat on peut vraiment obtenir avec des cours de vacances euh, le résultat qu'on peut obtenir avec les cours de vacances, c'est l'amélioration du niveau des élèves. Oui, les élèves euh, finissent par avoir un niveau bien amélioré et ils sont bien préparés aussi pour affronter la classe euh, qui va suivre, c'est-à-dire l'année suivante. Donc ah vraiment, c'est l'un des sont les deux résultats. Et en dehors de ça aussi, ils se familiarisent et ça leur permet en cours d'année scolaire de faire des échanges, même s'ils ne sont pas de la même école, de faire des échanges des épreuves, des échanges de cours, tout ça, des échanges de résumés. Et hmm. ça, fait, ça les fait progresser véritablement. La preuve, ils sont très intéressés. Et je tiens à vous dire que compte tenu justement du, du, résultat probant, de l'élévation du niveau et de, de, de la connaissance du mixage que ça engendre, chaque année, les élèves. Il y a des élèves, ça fait 7 ans maintenant qu'ils viennent. Donc de la 6 jusqu'à chaque année. Jusqu'à l'obtention du bac. Et ça leur permet aussi de commencer déjà à préparer euh, les examens pour ceux qui en ont et hmm. de préparer aussi les compositions pour ceux qui sont dans les classes intermédiaires. shine ake musu cikin wata guda don su tunkari eh, hmm, shekara mai zuwa ba wata guda tumus yanzu watan nan guda su ma sun sani ga sunan sun san da cikin watan nan guda abinda suka samu wataran eh, in sun kawar karatu yan kawar boko na gaske na wata taran nan wata guda na kudu da sai na kai wata hudu ko biyar karatun da suke samu ko uku kin gani haka ne to eh. abdulkarim maiga ka yi hausa ko haka ka aha to ina so in sani kai yanzu wannan kurkin a cikin kama shekara wannan da za ta zuwa a kake jin ka ji kake grâce à ces cours tu vraiment prêt pour affronter la qui vient ça y est c'est ok pour toi kurin da nake nan gai na iya cewa da mhm. na iya har shekara fadi da kyau Hmm. Certes, ba bah ba pas komi za mu gagner za prochaine mais voilà. On va faire le nécessaire. comme son koya muna bon déjà za OK. D'accord. Donc là ce qu'on va faire on va tout le monde est bien content de ces cours. On va aller en musique. Je vous propose Pick Up de Tiwa Savage et on se reprend juste après. Voilà. Me, I know they understand anymore. Everything not they like it did before. And I know you're working from nine to four. I go to take that now you never come. Cause somebody be trying to take all of me from me. Man, I don't know what to think. Make I no go poco. Orinity blow, but I no go let go. I lay on my ten toes, forever we go settle. No go let the devil call up be my happiness, and that's on G for me. I see they call you on it, but you no picking my call no more. You know they picking my call no more. Ah, no more. Don't you pick it in my heart. like more. Cause I know if take this pain anymore. But what got shit for me, it did get to me. Need my mental health very strong. What you want? Tell me what do you want? I've been dreaming for two months, but I still no hear no compliments. Worry me deep blow, but I no go let go. I did on my tentos, for every go settle. No go let the devil call up be my happiness, and that's song G for me. I said they call you honey. but you no picking my call no more. You know they picking my car no more. Ah, no more. Don't you pick it in my heart. I've been calling you. Won't you play games with my heart? I've been calling you, calling you, calling you, calling you. You know they pick up. You know they pick up. Ah, oh. no more. Don't you play games with my heart? I've been calling you, calling you, calling you, calling you. C'était Tiwa Savage, c'était Pick Up et euh, on revient aujourd'hui à la FADA installée au CSP on parle de cours de vacances, on parle euh, de l'utilité de ces cours, on parle euh, voilà de, comment ces élèves se préparent pour l'année qui vient grâce à ces cours de vacances. Je viens à ma dernière question. Est-ce que euh, vous avez des difficultés par rapport à la période ou par rapport au temps ou vous aimeriez avoir ces cours pendant plus d'un mois Je viens vers toi, Malika. Dis-moi, est-ce que tu as des difficultés par rapport à Comment ça se passe Vu le temps, ça, mhm. vu, le, vu le temps, ça se passe pas très bien parce que on aimerait bien que les cours euh, continuent jusqu'au mois suivant. Ok. Ça nous permettrait de voir plus de chapitres et de comprendre plus euh, de choses. Comparé à un mois, peut-être qu'on va voir seulement un seul chapitre. Et c'est pour ça qu'on voudrait que les cours soient un peu plus prolongés. Ok. Si on pouvait les débuter avant le mois d'août, ça serait bien. D'accord toi, tes vacances, tu euh, <laughs> t'en as pas vraiment, <laughs> n'en as vraiment pas besoin, quoi. <laughs> Oui, voilà. je euh, ouais, les, candidats, ouais, n'ont pas de vacances. Oui, comme c'est les études, moi, j'aime pas trop les vacances parce que les samedis, dimanches, ça suffit simplement. Hey, eh, Malika, c'est ça, quoi, à la C'est du lundi au vendredi, elle a raison, il y a suffisamment de temps pour se reposer. Ouais. Bon, maintenant, la difficulté, c'est que les élèves ont tendance justement à être beaucoup plus laxistes. Ils ne se réveillent pas tôt, ils viennent en retard. Or, nous, nous sommes contre ça. Il faut qu'on leur fasse comprendre que les cours de vacances, c'est comme les cours ordinaires. C'est du sérieux. Oui, c'est du sérieux, très bien. C'est comme les cours ordinaires, c'est du sérieux. Et ça compte beaucoup dans leur enseignement. Ce n'est pas une distraction. Parce qu'il y a d'autres qui pensent que non, ce n'est pas le programme qu'on leur enseigne. Mais en réalité, et c'est le programme, c'est le même programme qu'ils verront en cours d'année. Bon, si elle dit que le temps est relativement court, un mois, elle a parfaitement raison. Vous les avez tous suivis. Ils ont dit qu'ils ont des explications et fiables, approfondies. Ils ont la possibilité de comprendre. De comprendre. Il y a eu des témoignages un peu partout. Tantôt, on dit c'est un philo, j'ai commencé à comprendre, je ne comprenais pas, mais maintenant, avec les cours de vacances, je comprends ou bien c'est en maths, ou en physique, ou autre. Mhm. Donc, vous voyez, ça prouve que vraiment, eh, il y a une sorte d'organisation, de, une sorte d'organisation pédagogique fiable. Ouais, ouais. Et qui favorise justement beaucoup les élèves dans l'acquisition des connaissances. Ok, tu comprends. quoi ceux qui ont encore euh, un autre souci avec, euh, voilà, soit le temps, soit. Euh, as déjà tout. Tu comprends, Tu comprends, Bon. Ah, en tout Quoi, c'est OK pour toi, Kaweke Ah, ah non. Uh-huh. En tout cas, si on peut nous ajouter le mois de septembre pour les cours de vacances, ça serait mieux parce que on aura plus de temps pour voir les chapitres. <laughs> ima hausa dan Allah. kamar in muka samu a ƙara muna saman lokacin parce que ut kadai ne muke kurdu vacances. vacances muka samu a ƙara muna septembre muna so kuma muna samu mu ci gaba saman shafitir shafitir da yawa ne mm. yan muwa kadai bai ishe mu ga shafitir da yawa wataran biyu kadai muke gani ko kuma wataran guda haka ok don a kara muna september muna iya gani shafitir har da hudu hakan ga muna muna cin gaba wa plus a améliorer eh, sur ne proshen inshallah To, apparemment dai duka bukatun naku iri ɗaya ne, haka ne ko? Ko akwai wanda ke, ah, ok, uh, Samuel, toi kuma eh, bakata me kake? À propos, à propos du temps, c'est pas que c'est la faute de l'école. C'est aussi la faute, c'est pas, c'est la faute, la faute est due aux examens qui se trouvent. Parce que, il y a des examens qui se, passent en juillet. Ouais. Si c'est qu'il n'y avait pas d'examens, les examens étaient prolongés en juin, étaient en juin. En jour, on pouvait commencer et finir en, septembre, août ou en septembre. Ouais, ouais. Ça, va, peut faire deux mois, mais, ou trois mois même. Mais dû aux examens, par exemple le bac qui doit reprendre, il y a Ouais, il y a tout ça qui est venu un peu chamboulé chambouler le euh, truc. Comment on appelle et, nous, nous aussi, si on peut augmenter le temps, il y a aussi la rentrée. Septembre, il y a la rentrée de certains cadres. Peut-être le 15 septembre, avant, il y avait le lycée qui rentrait. Maintenant, si on dit on va augmenter, ça, ça pénalise l'école aussi parce que beaucoup de gens aussi rentrent vite à l'école et aussi l'école là pour commencer les inscriptions et ça peut aussi ménager certaines choses. Merci Samuel, tu as bien fait de prendre le micro. il y tenait et il l'a bien fait. <laughs> voilà. Euh, to kun bukatun wannan dai kuma wannan shirin dai su dai yana da su sosai kuma suna ganin eh, sauyi suna ganin ci gaba cikin abin da ya kamata su gane cikin abin da ya kamata ya kamata su tunkari eh, ajinsu na gaba Yanzu, ya kusa zuwa y amma Avant de se dire officiellement au revoir cette émission, on va aller avec euh, la chronique de l'émission Tous à la Fada. Et euh, voilà, on se dit bye bye juste après. Chers amis de la Fada, bonjour. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une thématique cruciale pour la nation nigérienne. Eh bien, c'est la tolérance et la cohésion sociale. Le Niger, terre de diversité ethnique, culturelle et religieuse, est un exemple vibrant de la manière dont la coexistence pacifique peut prospérer au milieu de différences prononcées. Dans un pays où des communautés variées cohabitent depuis des siècles, la tolérance est devenue une vertu fondamentale. Les Nigériens ont appris que la clé pour maintenir la paix et la stabilité résident dans le respect mutuel et l'acceptation de l'autre, quelles que soient ses origines ou ses croyances. C'est dans cet esprit que nous, Nigériens, nous avons su tisser des liens solides au fil du temps, façonnant une société harmonieuse malgré les multiples défis. La cohésion sociale, quant à elle, est le ciment qui maintient ensemble les nombreuses facettes de cette nation. Les initiatives gouvernementales, les organisations locales et les individus se sont unis pour promouvoir des valeurs d'égalité, de justice et d'harmonie, des événements culturels, des échanges interreligieux et des dialogues communautaires sont autant des moyens par lesquels le Niger renforce les liens qui unissent ses citoyens. En tant que jeunes Nigériens, nous avons un rôle essentiel dans cette dynamique. Notre voix porte l'espoir et la responsabilité de transmettre autour de nous les valeurs de tolérance et d'inclusion. Inviter des intervenants issus des communautés pour partager leurs histoires inspirantes, organiser euh, des débats constructifs sur des sujets sensibles et promouvoir l'éducation interculturelle pour nourrir la compréhension mutuelle. Rappelez-vous que la tolérance ne signifie pas simplement coexister passivement, mais embrasser la richesse de la diversité. C'est à travers l'échange d'idées et la reconnaissance de nos différences que naissent les solutions innovantes aux problèmes qui touchent la société. En conclusion, l'histoire du Niger est un exemple inspirant de la manière dont la tolérance et la cohésion sociale peuvent triompher sur les divisions. En conclusion, l'histoire du Niger est un exemple inspirant de la manière dont la la tolérance et la cohésion sociale peuvent triompher sur les divisions. En continuant à élever nos voix pour l'unité dans la diversité, nous contribuons à bâtir un avenir prometteur pour tous les Niger. Ici prend euh, 20 la chronique d'aujourd'hui. On se prend demain pour un autre sujet. C'était la chronique de l'émission Tout à la Fada. On n'a pas vraiment le temps de l'écouter ici. <laughs> voilà. C'était euh, l'émission aujourd'hui. Euh, tous à la FADA, installés au club. Nous avons parlé des cours de vacances avec encadreurs, élèves, l'importance de ces cours. kuma wannan alban kamar a kuka ji dai bayanan nasu wannan shirin yana kayatar da su to sai mu ce kuma ga wa'annan kandida da wanda ba kandida mamma masu shirye-shiryen eh, shekara mai zuwa Allah ya bada sa'a sai kuma mun ƙara haɗuwa don mu hira tana yi a wannan gamin bisa kan bakin naku wala <laughs> Donc on se dit à une autre fois sur une autre émission. Vous allez continuer avec Habibou Garba. Ça sera en français german Je vous dis au revoir. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était le programme Gênes du studio Kalangu, diffusé les samedis et les dimanches de 17h à 18h15. Tout de suite, place au forum du studio Kalangu.